le forum du studio le forum du forum du studio le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du studio le forum du le forum du studio Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Hamadou Momouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Enfani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozerine, Magaria, Mainesoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Comment réussir une bonne campagne pastorale 2017 La question est posée avec l'installation progressive de la saison hivernale. Beaucoup de localités sont déjà arrosées. Au 10 juin 2017, selon le bulletin du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, c'est au total 5742 villages agricoles qui ont effectué des semis partiels, soit 46% un peu comme l'année passée. Quand l'hivernal s'installe, c'est l'espoir qui renaît du côté des éleveurs. Cela est surtout valable cette année où, pour la campagne pastorale 2016, le Niger a enregistré un déficit fourrager de plus de 12 millions de tonnes de matières sèches, soit environ 48% des besoins. Sur des besoins globaux théoriques de l'ordre de 25 millions et quelques de, matières sèches, le disponible fourrager est de l'ordre de 13 millions. Le déficit est surtout accentué dans les régions de Tawa, Difa, Tilabiri et Zender. La situation pastorale nécessite une attention particulière, reconnaissent les autorités. Alors qu'est-ce que ces autorités font justement pour venir en soutien aux zones déficitaires Quel est le niveau de couverture et de densité du tapis herbacé actuellement Comment se présente la situation sanitaire du cheptel Quel est en gros le dispositif mis en place pour réussir cette campagne pastorale 2017 pour répondre à ces questions et à bien d'autres, nous avons invité les principaux concernés. Nos invités, c'est M. Zurkalen Maïka, directeur général de l'élevage. Monsieur Zurkalen, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Merci. Et M. Abarchi Haruna de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Rennes. M. Abarchi, merci d'être venu. Merci. Monsieur le directeur général, euh, je vais directement commencer avec vous, vous qui avez certainement la situation en main. Euh, et on va parler du point du pâturage. Quel est le point actuellement quand on sait qu'il y a eu quand même un déficit assez important Les chiffres sont là pour le dire à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on assiste surtout à une dégradation sévère du pâturage existant, en dehors bien sûr du manque cruel dans beaucoup de zones de pâturage comme vous l'avez dit, vous venez de dire qu'il y a un déficit euh, de 12 millions de tonnes de matière sèche qui manquait au sortir de l'hivernage précédent. Et effectivement, avec un disponible de 13 millions par rapport euh, aux besoins, justement, donc, euh, par rapport au moins à la situation qui vient donc d'être circonscrite. Aujourd'hui, l'état des pâturages en ce début d'hivernage est quand même dégradant en ce sens que premièrement ce qui existe est en train d'être détérioré par les premières pluies et les pousses, pour ne pas dire le tapis herbacé, qui constitue les jeunes pousses. Donc euh, l'accessibilité, surtout par rapport aux gros ruminants, va être un problème. Il n'y aura que peut-être les petits ruminants, c'est-à-dire les caprins et les ovins, qui peuvent avoir la chance d'avoir accès et sans nul de me tromper, les bovins en particulier et les ovins aussi, parce que c'est les deux espèces vulnérables en cas de difficulté. Mm, euh, alors, quel temps ça peut prendre, cet aspect du vulnérabilité on considère... On surtout les bovins. On considère que vraiment avec euh, le tapis herbacé qui est au stade de pousse avec un minimum d'une à deux pluies, euh, ce tapis herbacé là sera homogène et va atteindre son stade végétatif acceptable où les animaux auront accès normalement d'ici euh, trois semaines à un mois. Il reste beaucoup de temps. Hein. Bien sûr, il reste beaucoup de temps. Et c'est pour cela que je parle de situation critique à l'état actuel où le s'est annoncé. L'existant va être frappé par la pluie donc détérioration de sa valeur nutritive, ce qui est en train de venir n'est pas accessible. Alors il faut obligatoirement en tout cas euh, une aide d'urgence hmm. par rapport justement à la manière avec laquelle on s'exprime en termes d'alimentation. Hmm, on viendra à cet aspect-là. Le temps de donner la parole à Abarchi, qui est sur le terrain avec les éleveurs. Euh, le directeur l'a reconnu, la situation est très sévère. Et vous, vous vivez cette situation, malheureusement. Merci, Monsieur Armando. Et je remercie le studio Kalangou pour nous avoir appelés à ce moment critique, comme le directeur l'a dit, afin qu'on puisse se prononcer sur la situation pastorale telle que ça existe. En tout cas, sur le terrain, effectivement, la situation est là, elle est, très difficile. Elle est vraiment, voire même grave pour certains endroits. Et comme vous l'avez dit dans l'introduction, effectivement, la saison de pluie est en train de s'installer en zone agricole, oui, ça peut aller jusqu'à 46%. Mais en zone pastorale, ce n'est pas cela. Parce que le terrain nigérien n'est pas homogène en termes de répartition pluviométrique. Donc en zone pastorale, en tout cas, l'installation de la saison pluviométrique est assez faible, et même beaucoup plus faible par rapport à la zone agricole. Donc ça, c'est important de relever ça. Donc euh, effectivement, il a quand même commencé à pleuvoir. Et vous savez, les premières pluies sont souvent des facteurs aggravants de la situation du cheptel. Vous voulez que l'espoir renaisse, c'est plutôt parce que, comme il a dit, de dégradation. En tout cas, le peu qu'il y a pourri, ça pourrit, et le, nouveau poisson ne sont pas arrivés au stade où les animaux peuvent les capter, surtout les gros ruminants, comme il l'a dit. Donc, les premiers qui peuvent capter ces premiers poussins-là sont les petits ruminants. Donc, ça commence à aller. Et tout ce que nous souhaitons, qu'il n'y ait pas de rupture de pluie c'est lorsqu'il va avoir retour de pluie que ça sera extrêmement grave. Mais si ça se poursuit, en tout cas, dans deux semaines, normalement, ça va. Donc, c'est ça, en fait, d'une manière générale. Donc, la question a commencé à s'installer, c'est juste. Et il y a quand même ces difficultés d'installation de la saison, hmm. comme toujours d'ailleurs. Comme toujours. Monsieur le directeur général, on va essayer toujours de parler de cette situation qui est critique. Quelles sont les zones qui sont concernées Bon, en ce qui concerne. partir du euh, bilan et puis après on parlera du dispositif. Justement, comme euh, il vient de le dire, la zone. Parce que le Niger est en deux franges. Il y a la zone pastorale par excellence et la zone agricole ou agro-pastorale. Aujourd'hui, les zones les plus sévèrement touchées, c'est surtout la zone pastorale. La zone pastorale euh, qui n'est pas comparable à la zone agricole au point de vue isoète. Parce qu'en zone agricole, tu peux trouver de 500 jusqu'à 1000 mm euh, par an. Alors qu'en zone pastorale, euh, normalement, euh, c'est 300 à 100, au maximum 500 à 600, pas plus. Et s'il y a aujourd'hui une zone aujourd'hui qui est effectivement touchée par la sévérité de la situation, c'est cette zone pastorale-là ou jusqu'à preuve de contraire, les pluies ne sont pas d'abord homogènes. Et puis. Euh, en, termes de région, comment on peut les identifier Oui, leur répartition. la région, de, surtout d'Ottawa, le nord de Maradi, et, bon, si vous voulez, l'extrême euh, l'extrême nord, justement, de Telabéry, donc euh, de Difa et de Zender, sont effectivement les plus touchés à l'ère actuelle du point de vue vraiment dégradation de la situation qui est caractérisée par euh, l'absence de pâturage et puis euh, la détérioration des anciens points de pâturage qui existaient. On connaît cette situation, hein. c'était prévisible euh, lors de l'évaluation de la campagne pastorale. on connaît aussi le besoin qui a été estimé. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour pouvoir soulager ces zones-là Bon, en ce qui nous concerne, euh, je peux dire que l'État à la hauteur de ses possibilités en, collaboration avec euh, les partenaires techniques et financiers, l'État a mobilisé 16 500 tonnes d'aliments bétail. En tout et pour tout, donc euh, jusqu'à la date actuelle. Donc nous attendons effectivement. C'est loin de répondre au plus... Oui, c'est loin de répondre parce que. Lorsque nous nous sommes euh, arrivés, nous avons trouvé justement cette situation avec un gap de 18 000 tonnes. Mais compte tenu de l'accélération de la station dégradante, nous avons requalifié la situation jusqu'à un besoin de 85 000 tonnes. Les 85 000 tonnes qu'on doit soustraire à 16 500 tonnes que l'État a pu mobiliser, il va rester à peu près 68 à 70 000 tonnes que jusqu'à présent nous sommes en train de chercher, derrière lesquels nous sommes en train de courir, et jusqu'à présent, en tout cas, on n'a pas quand même euh, eu de réponse euh, favorable. Monsieur Abarchi, vous qui êtes euh, avec les éleveurs, vous êtes éleveur aussi, comment vous vivez cette situation C'est très critique, comment ça se manifeste sur le terrain Bon, ça se manifeste par la malnutrition des animaux déjà, il y a une situation qui est là, qui est une conséquence qui affecte les éleveurs, notamment la mévente des animaux. Donc, le marché des, animaux dû à certains facteurs extérieurs, notamment la dévariation de la NERA, tu vois, ça a beaucoup diminué le revenu des éleveurs. Donc, il va falloir chercher des aliments bétail partout. Et voyez-vous, le déficit étant important, ce qui a été mobilisé par l'État, donc de l'ordre de 16 000 et les autres partenaires peut-être 2000 parce qu'il y a eu une mobilisation de moins de 20 000 tonnes. Tout le monde, y compris l'État et les autres partenaires, et ONG et autres. Donc moins de 20 000 tonnes. Donc c'est pour dire que eh, il y a quand même un gap important. Et quand il y a de gap important, qui va souffrir, c'est surtout les éleveurs, notamment les petits éleveurs. Donc euh, les animaux sont très faibles et souvent on les soulève pour les, pour les, pour les tenir debout. Ça, c'est des problèmes. Et ça ne se vend pas. Si ça se vendait, voyez-vous, on peut bien acheter ces aliments-là auprès des, commerçants. Donc c'est pour dire que la conjugaison de ce manque d'aliments et de la non-vente, la bonne vente de ces animaux-là a aggravé la situation sur le terrain. Donc euh, c'est ça en fait. Donc voyez bien, en tout cas pour tout ce qui concerne, ça se ressent. Hein, productivité de lait, ça a baissé drastiquement et les animaux ne se vendent pas. Donc, c'est, enfin, peut-être moins on allait frôler une crise. Heureusement que la saison est en train de, s'installer. Hmm. Parce que euh, dans la zone nord de la Bélie, quand même, il y a des, zones qui sont arrosées jusqu'à deux pluies. Euh, ne un espace quand même pas Bien sûr que euh, c'est pas uniforme aussi. Il y a des endroits qui n'ont pas peut-être enregistré la pluie jusque-là. Donc ça commence à aller, l'espoir commence à renaître à certains endroits. Et qu'est-ce que vous pensez de la mobilisation des de l'État, de ses partenaires C'est très faible. Vous, savez, nous on critique même leur manière euh, d'estimer les besoins. Parce que voyez-vous, il y a quand même des nouveaux facteurs aggravants qui sont là et je ne sais pas s'ils en ont tenu compte. Parce que quand ils ont fait les besoins, ils les ont estimés à plus de 25 millions de tonnes pour le bétail nigérien. Et il y avait eu donc une disponibilité de plus de 13 000 tonnes, ce qui veut dire que 48% sont à chercher. Et ça, c'est pour le bétail nigérien en temps normal. Il se trouve que nous ne sommes pas en temps normal, parce que, voyez-vous, fort de ces conflits qui, qui sont là au pays, ça fait que le bétail d'ailleurs est au Niger. Par exemple, au Nigeria, le bétail du côté de Difa, le bétail du Nigeria est là donc ça augmente la charge sur le bétail. Donc c'est pour dire que ces facteurs-là ont changé la formule par laquelle on estime les besoins. Donc euh, tout ça là, c'est des facteurs euh, aggravants. Et autre chose, voyez-vous, par le passé, en temps normal, les éleveurs du Niger partent en transhumance. Maintenant, par ces facteurs de sécurité, il y en a qui ne partent pas. Donc tout ça là, ils tenaient compte. Mais cette fois-ci, ils ont des problèmes à connaître tout le flux qui est parti ou bien le flux qui, voilà, qui doit partir. Tout cela, on doit tenir compte. C'est pourquoi il est bon quand même, après avoir fait l'évaluation du disponible fourrager, sachant bien qu'on connaît déjà le cheptel, de tenir compte de ces facteurs-là, notamment quel va être le, bétail peut-être extérieur qui va venir s'ajouter à la charge et, vice-versa. Et quel va être en temps normal On sait peut-être quel pourcentage de cheptel qui va en transhumance. Et maintenant, comment ça va se passer Peut-être des légères enquêtes peuvent donner des idées pour pouvoir orienter les gens afin que, bon, bien sûr, même si on a estimé les besoins, la mobilisation est autre chose. parce que ça aussi, c'est des euh, problèmes. Monsieur le <coughs> directeur général, vous, n'avez pas les, estimations, c'est un peu en mm. dessous de la réalité, les conséquences dont marché a parlé. Et au bout du compte, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir jusque-là quand même comme, euh, Bon, en fait, vous avez dans le cadre... La situation est vraiment dramatique et ça mérite que... Non, bon, hein. en fait, n'est pas si dramatique. Je ne veux pas dire dramatique, en tout cas, il y a des zones où c'est un peu comme ça. Il faut reconnaître que dans le cheptel, oui. vous avez d'abord les bovins, vous avez les ovins, les caprins, les asins et les équins. Et en plus, les camelins. Donc, les camelins, là, ils sont près de 1 million et quelques, hein, et c'est une UBT, alors que les bovins, c'est 0,8 UBT. Donc l'UBT, c'est l'unité pour propriété tropicale. Ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une frange d'animaux qui ne sont pas beaucoup concernés par euh, ce problème-là. Les azins et les équins, c'est les animaux de case. Ils sont souvent nourris par leurs propriétaires quand ils ont au moins un peu de paille en brousse ou autre. Donc, ces animaux de case, ils peuvent avoir accès à des sous-produits agricoles à la maison sans problème. C'est pour cela que les asins et les équins ne sont pas souvent touchés, alors que eh, c'est des grands animaux qui mangent beaucoup. Quand on estime leur euh, quantité d'aliments à manger, c'est beaucoup. Donc, ils ne souffrent pas. Maintenant, vous avez les camelins. Les camelins, c'est justement une autre frange très importante et qui aussi eh, mange beaucoup, mais qui ne souffrent pas et qui ne sont pas en train de souffrir, d'autant plus que chez les camelins, Dieu leur a donné la chance d'avoir accès aux ligneux, à la strate arborée, aux arbres. Ils mangent surtout les arbres. Et les arbres sont là, les arbres n'ont pas été touchés par L'inquiétude, c'est surtout les bovins, les ovins. Maintenant, il y a une autre frange qui est nombreuse aussi dans ce pays qui s'appelle les caprins, les chèvres. Les chèvres n'ont jamais souffert en période de disette parce que les chèvres, Dieu leur a donné la chance d'avoir accès à la strate arbustive. Les chèvres mangent souvent les arbustes indépendamment du petit peu qu'ils puissent collecter, donc euh, ça et là. Les animaux vulnérables, c'est les ovins et les bovins, c'est-à-dire que les vaches et les moutons. Ce sont ces deux franges qui souffrent en période de disette. Et dans le cadre justement des calculs euh, qu'ils font, on ne tient compte que des facteurs de production chez les ovins euh, et chez les, bovins du monde en particulier, on tient compte que les femelles suitées. Qu'est-ce qu'il faut Les femelles suitées, ce sont eux qui, généralement, s'abattent vite s'ils n'ont pas à manger. Et c'est ces calculs-là qu'on est en train de faire pour dire euh, de nous venir en aide là. C'est juste une sorte de calcul de complémentation. Ce n'est pas en réalité les besoins on a dit de nous donner, sinon le besoin c'est jusqu'à 12 millions de tonnes on est en déficit. Et nous avons, après l'évaluation, on a eu que 13 millions de tonnes qui sont disponibles dans la bourse. Les 12 millions, il faut les chercher. C'est ça le gap. Mais le gap par rapport à ce que nous avons recherché et ça n'a pas atteint, ça c'est les besoins de complémentation. Donc, et ces besoins de complémentation, justement, on a besoin de ça parce que c'est les aliments riches, c'est les concentrés. Malheureusement, malheureusement, hmm. même dans ce cadre-là, on n'arrive pas à atteindre les objectifs par rapport aux partenaires techniques et financiers. Nous avons dit, après la requalification, que nous avons besoin de 85 000 tonnes. On a soustrait les 16 500 tonnes que les partenaires techniques et l'État ont. Il restait 68 68 à 70 000 tonnes. Hmm. et jusqu'à présent, ça, justement, ça reste et ça demeure. C'est pour cela que, justement, la station demeure préoccupante. Est-ce qu'il y a réellement une, mobilisation Parce que quand même, l'élevage, c'est une des mamelles de l'économie. Mm. Chaque année, c'est les mêmes préoccupations qui sont mises à terre et il n'y a pas de solution. Mm. il y a une mobilisation réelle euh, à Barchi Oui, moi je vous êtes concerné aussi, hein, vous oui, le ministère a, fait de son mieux. Vous savez, il y a au niveau du dispositif des problèmes de, de considération, en tout cas de l'animal du point de vue crise si ce n'est ces dernières années, je bien si ce n'est ces dernières années, par le passé, le dispositif ne s'occupe pas de l'alimentation animale. C'est juste l'animation humaine, ce qui est une bonne chose, ce qui est noble. Mais, il faut quand même que les gens sachent, parce que moi j'ai l'habitude de poser ce problème-là dans les réunions du dispositif. Ils disent que, particulièrement les institutions comme PAM, UNICEF, disent qu'ils s'occupent des gens. Or, c'est surtout eux qui mobilisent beaucoup. Voyez-vous, ils oublient que pour ce qui concerne les intrants agricoles, par exemple les semences, ils fournissent, ils les fournissent. Or, ça, ce n'est pas des trucs qu'il faut manger tout de suite. Il faut aller s'aimer, ça pousse et peut-être à la récolte. Donc, c'est exactement la même chose pour les intrants animaux. Il faut aussi que les animaux la mangent, se nourrissent, et c'est en ce moment que l'homme tire le profit qu'il faut. Donc, il y a ce problème de compréhension et d'acceptation de ces facteurs-là qui font que l'élevage souffre du point de vue euh, attention ah, du côté des partenaires techniques et financiers. Donc c'est d'ailleurs c'est plaidoyer que nous sommes en train de faire, c'est pourquoi le dispositif en tout cas est en train euh, d'entendre, bon ça va maintenant, parce que mm. cette année, ils ont, ils ont mobilisé 5000 tonnes. L'année passée, ils en ont mobilisé, je crois, aussi 5000. Sinon, si vous reculez 10 ans en arrière, il n'y en avait pas. Il faut que ce soit une grande crise, c'est en ce moment que l'État vient mm. à au niveau de la prémature, on pose le problème. Voilà, Donc nous, nous portons espoir. Donc c'est ça en fait qui constitue véritablement le problème. Moi je suis d'accord en tant que structure AREN qu'on soutienne en tout cas les humains en alimentation. Mais le système de production aussi, on doit en tenir compte puisqu'on en tient compte dans les autres secteurs. Mm, le, le directeur général va répondre sur cet aspect de euh, peut-être de de peu d'attention au secteur de l'élevage par rapport euh, au secteur agricole. C'est une préoccupation pour vous Vous partagez son, analyse Bon, euh, en partie, je peux partager son analyse. Il a reconnu les efforts de l'État, notamment en matière de, hmm. fourniture de matériel. La seule défense, Mais il reste encore beaucoup à faire, en tout cas à comparer avec l'agriculture. ce qui est sûr que, quelle qu'en soit la fin pour la malnutrition, sans se référer aux protéines animales, on ne peut pas supprimer une faim ni une malnutrition. On ne peut pas, à base de céréales, dire qu'on est bien nourri. Par conséquent, l'apport en protéines, qui est indispensable pour le bon fonctionnement de tout organisme, doit donner le réflexe à tout le monde pour l'importance de l'élevage par rapport à sa dimension, par rapport à la manière avec laquelle tout le monde doit avoir une attention particulière que, au-delà de sa valeur économique, l'existence même de l'homme, son bien être et surtout sa santé, c'est aussi les protéines. Donc, on doit justement s'occuper du secteur de l'élevage et donner l'importance à tous ces secteurs pour que les financements les plus optimums puissent être de mise. vous réfléchissez, réfléchissez quotidiennement à cela. Hein Bien sûr, parce que c'est important, c'est notre secteur et c'est le secteur euh, le plus stratégique euh, et le plus rentable si on s'y met. Merci pour ces précisions. nous allons aborder la, deuxième et dernière partie de ce échange sur la campagne pastorale, les préparatifs. Nous allons parler des préparatifs maintenant. Et je vais toujours commencer avec le directeur général de, l'élevage, qui certainement a beaucoup à dire hmm. sur ce point-là. Comment vous préparez la campagne C'est une campagne, on au sorti d'une campagne très mauvaise dans beaucoup de régions. Hmm. Comment Quel est le dispositif que vous avez mis en place pour répondre aux préoccupations des éleveurs Bon, les dispositifs euh, et déjà sont mis en œuvre parce que, à travers toutes les directions régionales et départementales, nous avons en tout cas mis un dispositif de façon à suivre l'évolution de manière décadaire de cette campagne agro-silvopastorale. Et ce suivi signifie qu'il faudrait aussi mettre en œuvre au niveau des départements, des régions communes la manière avec laquelle on peut situer les pâturages de manière quantitative et de manière qualitative. Le suivi des points d'eau, les points d'eau de surface et les points d'eau donc souterrains. Donc euh, nous avons aussi et surtout le couloir de passage, le couloir de transhumance pour pouvoir donner accès à certains éleveurs en cas de problème de rentrer dans les pays étrangers avec leur certificat international de transhumance aussi qui sont préalablement préparés pour que ces éleveurs-là puissent vraiment se retrouver dans des endroits où il y a des pâturages en cas de problème. Nous avons aussi euh, dit qu'il faudrait préparer les agents qui vont suivre avec une acquisition, acquisition de matériel technique pour l'évaluation agro-silvopastorale. Et au cours donc euh, de la démarche, nous allons enfin faire une évaluation du bilan fourragé. Le bilan fourrager tant du point de vue tapis herbacé que du point de vue strate, donc arboré et arbustif. Et parallèlement, à travers toutes les régions et à travers tous les départements, nous avons déposé un certain nombre quand même de vaccins, notamment les vaccins du moment, les vaccins contre les maladies hydrotelluriques telles que la pastorolose, le charbon symptomatique et bactéridien. Hmm. C'est tous ces dispositifs-là. Peut-être que si on a le temps, on va revenir par cas par cas. je vais donner à Abarchi, euh, peut-être sur l'évolution de la campagne. Les dispositifs est vraiment mis en place. Vous êtes en relation avec le ministère, j'imagine Sur le terrain, oui. Euh, on ne peut pas travailler sans quand même euh, le ministère, bien sûr. En fait, euh, euh, la saison, nous, comment on prépare la, Dans tous les cas, nous, ce n'est pas la saison qu'on prépare. Nous, c'est un suivi au jour le jour, puisque nous avons un système de veille informative que nous avons au niveau euh, de, en tout cas de nos bases. C'est des agents qui sont répartis, hein, des éleveurs qui sont répartis et qui nous disent tout ce qui peut alerter l'attention, que ce soit le mouvement des éleveurs, les pâturages, la situation sanitaire, l'eau, tout ce qui peut en tout cas tout ce qui n'est pas normal, tout ce qui est nouveau, événement nouveau. Donc on veille et on vérifie c'est quoi. Donc nous avons, euh, nous sommes engagés depuis 5 euh, ans dans ce système de veille informative là. C'est ça qui nous permet même d'avoir la situation, en tout cas au jour le jour, pour pouvoir alerter c'est à qui il faut alerter. Donc nous avons cette veille là, elle va continuer à travailler parce qu'elle travaille pour elle-même, même si c'est le volontariat. C'est ce que nous faisons voyez-vous, comme l'a dit eh, le DG, nous veillons aussi sur la sécurisation foncière parce que voyez-vous, c'est un élément quand même extensif. Si ces espaces pastoraux-là, qui sont souvent sécurisés ou pas, sont quand même empiétés par euh, des, par des champs, vous aurez c'est des problèmes. Donc il va falloir quand même veiller et interpeller les autorités au niveau local en cas de ces différents problèmes en ce début de saison de pluie. Donc ça, nous le faisons. Et pour le moment, en tout cas, ça va. a aucun bon, ça va. On, va. décortiquer un peu euh, la question de l'eau, monsieur le directeur général, les couloirs d'eau. Aucun problème ne se pose, le suivi. Généralement, en saison de pluie. Comment vous le faites et en quoi est-ce que ça peut réellement contribuer à aider les, les éleveurs Oui, bien sûr. Je disais que c'est pour cela que nous avons dit que dans le cadre de la mise en œuvre donc, euh, de la campagne, nous devons tenir compte, nous avons tenu compte vraiment de la réactualisation des couloirs de passage, la réactualisation des couloirs de transhumance, et cela pour l'accès, bien sûr, à l'eau au niveau des mares permanentes et semi-permanentes, une fois qu'il y a remplissage, et au niveau des stations de pompage, des, puits cimentés et des points d'eau. Donc, euh, ça, c'est compte tenu de ça que ces couloirs-là et ces euh, doivent être vraiment tracés et respectés. Parce que l'animal, s'il n'y a pas de l'eau, c'est un problème. Et c'est pour valoriser justement ces points d'eau. Et ça va nous permettre aussi de voir au niveau des zones reculées, avec l'état des patelages quand il n'y a pas un, un bon maillage de points d'eau, donc de faire appel justement à nos services pour que euh, de fonçage nouveau puisse être en mesure d'être réalisés afin que vraiment le partage puisse être utilisé, puisse être rationnellement donc euh, euh, géré. Il y a assez de couloirs et tout se passe bien Oui, bien sûr. Dans chaque région, dans chaque département, nous avons des couloirs de passage. Dans chaque région, dans chaque département, nous avons des couloirs nationaux de transhumance et même des couloirs internationaux de transhumance. En relation avec euh, les autres acteurs hein. Bien sûr, en relation avec les associations d'éleveurs, avec le code rural, avec les autorités administratives et coutumières, etc. Monsieur Abarchi, pour les couloirs, il n'y a, y a pas beaucoup à dire. Tout se passe bien. Oui, ça va, ça va. La gestion des couloirs, euh, on sait que c'est quelque part un problème entre Vous savez, et rien ne peut se passer sans problème dans la vie. Et rien ne peut se gérer sans moindre difficulté. Ça, il n'y en a pas effectivement, les couloirs, il y en a. Et il y en a qui sont bien sécurisés. Il y en a qui ne sont pas sécurisés et qui sont, eux, en insécurité parce qu'ils sont grignotés. C'est où on les trouve, ces couloirs On les trouve, dans, par exemple, dans le département des les couloirs qui quittent la région de Telabiri, côté Filengue, jusqu'à Dosso, jusqu'au Nigeria et jusqu'au nord. Donc, ça, c'est des couloirs qui sont là et à certaines étapes, ce n'est pas sécurisé. À d'autres étapes, c'est sécurisé par le puzzle. Et il y a des problèmes quand même, euh, voyez-vous, souvent on, a, on veut bien tracer les couloirs, on le fait, et il y a souvent des problèmes de gîte d'étape. Euh, on a coutume de dire que, en tout cas dans certaines réunions des élèves de la, de la Brousse, hein, qui disent que même les bus Rimbo, s'ils quittent Niamey, il a un arrêt à Berni par exemple. Donc il faut s'arrêter quelque part pour se reposer. Et là, c'est des limites pour certains couloirs. C'est des couloirs qui sont tracés sur plus de 25 km plus de 30 km sans étape, sans aucun arrêt. Ça, c'est une insuffisance qu'il va falloir corriger. Ça, c'est des couloirs que j'ai vus et je les ai bien vus et j'ai posé le problème au niveau local avec certains acteurs comme les COFO. C'est des problèmes. Donc, euh, c'est cela. Moi, je pense qu'il faut juste continuer à sensibiliser les gens pour qu'ils sachent que cette affaire euh, de sécurité foncière-là, il faut que ce soit une réalité parce que c'est ça qui permet à chaque activité d'exister. Or, c'est l'intégration des différentes activités qui vont faire la force d'une économie et d'une autosuffisance alimentaire, surtout dans le monde rural. Il faut qu'il y ait aussi bien les céréales que les protéines animales, comme l'a dit M. Mm, le Nous allons donner la parole justement au directeur général. On a parlé des couloirs, il y a cet aspect de vaccination, il y a eu toute une campagne. Oui, en fait. Ça a euh, donné son effet sur le terrain. La vaccination, c'est euh, en fait euh, un travail euh, habituel dans les services vétérinaires. Donc, il y a d'abord la grande campagne de vaccination contre la peste bovine et la péripneumonie contagieuse bovine en son temps, au sortir, ou du moins au moment du froid, à partir de décembre. Décembre, janvier, février. Maintenant, une fois que février passe, pour rencontrer l'hivernage, il faut vacciner les animaux contre les maladies pseudo-tolériques comme je le disais, jusqu'à jusqu hivernage, contre, euh, je disais, la pastorolose, le charbon symptomatique, le charbon bactérien. Et maintenant, plus loin, il y a certaines maladies sporadiques, comme la clavelée et autres. Ça aussi, c'est entre, au sortir du froid ou bien peu avant le froid. Donc, tout ce qui est santé animale est pris en compte qui a été pris en compte. Bien sûr. Hmm. Ça, c'est la moindre des choses. Quel est, le bilan que vous tirez Non, jusqu'à preuve, devez... le contraire. Jusqu'à preuve le contraire, euh, en ce qui concerne les campagnes de vaccination euh, contre la peste bovine et la pneumonie contagieuse bovine, la grande vaccination, donc le bilan est tiré que le taux de couverture vaccinale avoisine en tout cas à plus de 60% normalement à l'état actuel. Et pour maintenant les vaccinations pour euh, les maladies pseudo Là, c'est d'ici octobre, au moment de la cure salée, qu'on va faire le bilan des animaux qui sont vaccinés, qui ne sont pas vaccinés. Oui. 60%, une évaluation en fait, pour la santé animale. L'État semble mettre euh, les dispositions, semble avoir pris les dispositions nécessaires et les résultats sont là. Hein, plus de 60% de couverture, c'est suffisant. Bon, <laughs> à vous de voir, 60%. Bon, moi, je pense qu'on peut dire peut mieux faire, quoi. Peut mieux faire. L'État pouvait faire beaucoup mieux pour atteindre peut-être les 80%. Moi, je suis d'accord, 60%, c'est pas rien, mais autant encore faire mieux, quoi, pour. Euh, parce qu'il faut surtout resserrer la ceinture de surveillance pour que euh, on puisse véritablement connaître à temps les différents foyers qui apparaissent souvent. Vraiment, c'est surtout ça, parce qu'il arrive que ça vienne et que ça tarde, parce que il y a aussi des limites, parce que voyez-vous, quand on découvre une maladie quelque part au FACO Nord d'Akoro, c'est un exemple que je prends, hein, et il va falloir envoyer ça à un labo qui est très loin pour confirmer ceci ou cela. Donc, entre-temps, c'est quand même des difficultés. Parce que voyez-vous, tout dernièrement même, on a euh, ils ont découvert un foyer à Dosso qui est confirmé quand même par le labo. Et euh, bon, en tout cas, aux dernières informations, je ne sais pas si des dispositions sont prises sans que je ne sache. En tout cas, la direction régionale a demandé à être soutenue pour pouvoir prendre des mesures, notamment la mise en quarantaine des, animaux, etc., etc. Pour ça. Donc, euh, n'était pas fait, je ne sais pas si c'est fait maintenant. C'est surtout les, des réactions comme ça que nous voulons du côté de l'État. Lorsqu'un foyer apparaît, il faut être prompt pour en tout cas prendre les dispositions qu'il faut faire. Parce que si, même si on sait, si on ne fait pas vite, ça se propage. Et quand ça va se propager, on va au foyer là où on connaît, donc on circonscrit, peut-être d'autres animaux sont déjà sortis, si on ne fait pas vite. Donc c'est surtout de ça, situation comme ça que nous voulons que l'État prenne. Il faut être prompt dans les réactions et peut-être impliquer les associations d'éleveurs pour une véritable sensibilisation pour que les animaux qui vont avoir contact avec ce troupeau-là, en tout cas qu'on les connaisse. Comme ça, ils seront concernés par les dispositions qui seront prises. Monsieur Jokaleni, est-ce qu'il y a des foyers Non, en fait, euh, comme il l'a dit, la seule euh, déclaration obligatoire que nous avons enregistrée, c'est une déclaration justement de péripromonie contagieuse bovine de la région de Dosso qui a été vite circonscrit et jugulé avec l'application de toutes les mesures offensives et défensives en cas donc de foyer de maladie. Et là-dessus, justement, la circonscription est caractérisée par la manière avec laquelle il faut vacciner tout le champ de tout ce qui concerne les animaux et l'endroit où la maladie s'est enclenchée, et les animaux même du département. Et maintenant, empêcher justement la circulation justement de ces animaux-là de partir, quoi que ce soit, après une période, donc jusqu'après une période de 40 jours. Donc toutes les mesures ont été appliquées. La situation est sous contrôle. Et la situation est complètement sous contrôle. Alors, on va résumer la question du dispositif parce qu'on a fait les différents points. Maintenant, peut-on dire que tout est au point mhm, pour une bonne campagne pastorale ah, Pour une bonne campagne pastorale, je vous dis que sincèrement, toutes les dispositions sont, sont prises sur tous les plans, sur tous les points et à tous les niveaux, de façon à ce que cette campagne pastorale soit une campagne pastorale vraiment de réussite, dans la paix, sans maladie et dans l'espoir que les plus seront répartis dans l'espace et dans le temps afin que le tapis herbacé puisse être homogène et puisse être vraiment euh, accessible aux animaux et à tous les animaux et afin que vraiment toutes les mares permanentes et semi-permanentes puissent être aussi pleines et aussi que le maillage des points d'eau dans des zones où le pâturage existe et il n'y en a pas puisse être de mise. Vous, l'avez évalué, l'évaluer, vous l'avez évalué en termes de, finances euh, Et, j'ose espérer qu'en tout cas, mm. avec l'accord de Dieu cette année, en tout cas avec un minimum de répartition de plus de l'espace dans le temps, la campagne pastorale va se dérouler correctement. On va avoir le coût le, de votre dispositif le coût, coût de nos préparatifs, c'est quelque chose de 11 milliards 992 millions. Vous avez pu mobiliser l'argent euh, L'argent est en train d'être mobilisé, bien sûr, au fur et à mesure, en fonction des, activités à mettre en œuvre, bien sûr. si ah, le dispositif est bien mis en place. Bon, nous, dans, nous, bien expliqué notre dispositif. Nous, on veille et on interpelle. Mm. Ça, nous allons le faire, Inch'Allah. Nous souhaitons seulement, parce que les facteurs que nous ne maîtrisons pas, c'est les facteurs naturels, la pluie et la répartition, etc. Donc ça, on ne maîtrise pas. Mais pour autre chose, autant que faire se peut, nous allons suivre ça et nous allons informer ou interpeller qui de droit le moment venu. Jusque-là, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Pour le moment, non, il n'y a pas d'inquiétude et nous euh, appelons quand même à ce que les autorités administratives et communales, pour qu'elles veillent comme nous, pour que rien n'échappe. Monsieur le, directeur général, oui. Euh, il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé, c'est la question des agents, le, conseil appui. Appui conseil, n'est-ce pas Oui, l'appui conseil, c'est un aspect important. Oui, bien sûr. L'appui conseil euh, est nécessaire et l'appui conseil existe partout parce qu'aujourd'hui, euh, à l'exception de quelques. En tout cas, sur l'ensemble du territoire, j'ose espérer que les, tous les chefs-lieux de commune sont produits d'agents d'élevage. Et ceux-là qui sont justement soutenus par des moyens de déplacement. Et tout dernièrement, nous voulons de réceptionner 100 motos, 100 motos d'été, donc euh, qui, pour renforcer leur capacité afin que ceux-là, à l'intérieur de leur commune, en profondeur de leur commune, puissent faire de village en village et rehausser l'appui conseil en quantité et en qualité. Hmm. Sans moto, en dehors du dispositif que vous avez déjà En dehors du dispositif que nous avons, nous, avons, nous les avons remplacés avec 100 motos dans le cadre du projet PRAPS, qui sont actuellement à la Direction générale de la production animale et qui vont être répartis d'un moment à l'autre. Abachi, est-ce que l'agent, l'agent d'État est auprès du, de l'éleveur Bon, maintenant l'agent est auprès de l'éleveur parce que l'éleveur va vers lui C'est beaucoup plus ce sens-là. Même si lui, il... oui, c'est beaucoup plus ça parce que lui, il est un très souvent et les éleveurs, eux, sont nombreux. Donc c'est plutôt plus facile d'aller vers lui que de lui aller vers tout le monde. Ça, c'est clair. Ça va du point de vue collaboration sur le terrain. Maintenant, ça va. C'est les premières années depuis les années 90 là qu'il y avait des difficultés. Mais maintenant, ça va. les gens chacun connaît son rôle, donc il n'y a, pas, a pas de problème. On va terminer avec euh, un dernier conseil aux éleveurs, monsieur le directeur général. Quel conseil vous pouvez leur donner en dehors de. Bon, il y a des difficultés, il y a des choses qui ont été. des dispositions qui ont été prises, mais ça ne suffit pas. Alors, qu'est-ce que l'éleveur doit faire, faire dans ces cas Bon, nous, le conseil qu'on doit donner aux éleveurs, c'est vraiment respecter la manière avec laquelle les pâturages puissent être gérés rationnellement. Les pâturages, en particulier la zone pastorale. Hmm, la gestion rationnelle. La gestion rationnelle des pâturages. Et signaler sur, à tous les niveaux là, où il n'y a pas un maillage de points d'eau pour que ces points d'eau-là puissent être vraiment placés afin que les pâturages puissent être gérés aussi, je disais donc, rationnellement. Et comme il vient de le dire, en contact avec les gens d'élevage, il faut déclarer tout le temps dès qu'il y a une suspicion de maladie. Il ne faut pas attendre que euh, des mortalités puissent être élevées afin de déclarer. La déclaration de tout, la suspicion d'autre maladie doit être une déclaration. Une déclaration doit être aussi obligatoire. mais ça, c'est l'éleveur même le plus lambda oui, oui, bien sûr. Il doit, vraiment faire des, il doit vraiment signaler justement aux gens d'élevage donc de tout ce qui se passe par rapport donc à la santé de ces animaux afin que et puis euh, l'un des ultimes conseils que moi je veux donner aux éleveurs il faut que chaque éleveur sache que la chose la plus vraiment embêtante pour le troupeau c'est le parasitisme et chaque éleveur doit avoir la précaution doit faire en sorte que au sortir et à la rentrée de l'hivernage ces animaux puissent être déparasités. Et c'est ce déparasitage-là qui va permettre à l'animal, un, de résister contre les maladies, deux, de, d'augmenter sa digestibilité lors des parcours pastoraux, lorsqu'ils sont en train de faire euh, le pâturage. Et ça va donner un embonpoint suffisant à l'animal. L'animal va avoir plus de poids, va avoir plus de lait, et puis même les poils de l'animal vont changer. un animal, un troupeau de parasités, un troupeau de parasités ne, se ressemble même pas. La différence est nette. oui, ça c'est l'un des conseils ultimes moi, que j'ai toujours que je veux que les éleveurs n'ont qu'à peut-être même prendre un veau ou une velle pour vendre et soigner tout le troupeau en termes de déparasitage, parce que le déparasitage paie lourd tribut aux éleveurs. Et ça qui fait fatiguer les animaux dès qu'il y a un manque de pâturage et les animaux ont, hébergent dans leur ventre tout le temps des gros parasites, des parasites qu'on appelle les strongyloses gastro-intestinales, qui eux aussi, c'est un domaine vraiment où les animaux euh, sont affaiblis par ce phénomène-là. Mmh. Ah, un mot Conseil en termes de conseils, on finit Oui, bon, on va, c'est exactement les le mêmes conseils. Hein. Il faut déparasiter les animaux, il faut respecter les espaces pastoraux. Et maintenant, aux agriculteurs, il faut eux aussi qu'ils respectent les espaces pastoraux et il faut que tous les deux évitent de se rendre justice. Voilà, merci. Éviter de se rendre justice, euh, euh, Relation agriculteur-éleveur. agriculteurs déparasiter les animaux euh, avec l'entente de cette campagne pastorale. C'est les principaux conseils de nos invités. Il s'agit de Monsieur euh, Mega, directeur général de l'élevage au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, et de Abash Haruna, qui est le représentant de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Merci vraiment d'être venu pour, cette, pour cet échange. Merci à vous, chers auditeurs. Bonne soirée.